Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme euh, tous les mois, le ministère de la Santé et de l'Action sociale tient cette séance consacrée à l'épidémie de Covid-19. C'est un moment d'information, de communication, mais aussi un moment d'analyse. Je voudrais, à l'entame de mon propos, m'incliner devant et saluer la mémoire des personnes décédées de cette maladie. Nous prions Dieu qu'il soit accueilli au paradis. Aux malades encore sous traitement, je souhaite un prompt rétablissement. L'occasion m'est encore donnée de féliciter tous les personnels engagés dans la riposte, au premier rang desquels les personnels de santé et d'action sociale, mais aussi les forces de défense et de sécurité face à cette riposte extrêmement importante. Nous témoignons à tout le monde un énorme, courage et un engagement sans faille. Je voudrais les encourager vivement à poursuivre avec les mêmes vertus, car le virus est encore là, toujours actif parmi nous. Mesdames, Messieurs, tout au long de ces six mois de riposte, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a constamment soutenus. Son leadership très marqué apparaît à travers les importantes mesures qu'il a bien voulu prendre en vue d'empêcher la propagation du virus et de soulager les populations face aux rudes conséquences de cette euh, pandémie. J'ajoute que les moyens ont été bien là, des moyens substantiels mobilisés par l'État durant ce semestre pour réaliser des infrastructures, acquérir et installer de nouveaux équipements, sans oublier le recrutement et la formation des ressources humaines. Toutes choses qui ont permis à notre système de santé et d'action sociale de faire face de manière résiliente à la crise. Nous avons pu bénéficier aussi de soutien de partenaires techniques et financiers que je voudrais remercier ici. Je salue la qualité et la profondeur de qui nous a accompagnés. De la même manière, nous saluons la contribution du secteur privé et de la santé, des organisations de la société civile et celles des collectivités territoriales aussi. Je voudrais relever avec force et détermination, je voudrais relever avec euh, force et détermination l'engagement des comités régionaux de gestion des épidémies dans le cadre de cette riposte. Au niveau des 14 régions du pays, les CRGE réalisent un travail remarquable avec comme socle majeur l'engagement des acteurs communautaires. C'est le lieu de féliciter les autorités administratives, les équipes des régions médicales et des districts sanitaires et l'ensemble des autres acteurs impliqués dans la riposte. Mesdames, Messieurs, Sénégalaises et Sénégalais, mais aussi nos compatriotes qui sont à l'étranger, j'aimerais effectivement vous dire que personne ne sait quand cette épidémie prendra fin ni quand un remède efficace pourra permettre au monde de s'en sortir. Dès lors, la lutte contre la Covid-19 se poursuit et doit être intensifiée. À ce jour, l'application des mesures barrières est la meilleure arme dont nous disposons pour freiner le virus. J'en appelle donc à la vigilance de tous au niveau individuel comme au niveau collectif, surtout pour protéger les personnes vulnérables. Les collaborateurs qui m'accompagnent reviendront tour à tour sur divers aspects de la riposte. Ils partageront l'analyse qu'ils font de la situation et dégageront des recommandations en vue d'améliorer la riposte dans notre pays. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ne dañu baaxoo weer bu jot bu ñu fa yeggee ministère de la santé et de l'action sociale ñëw taxaw def benn situation bu mag boo xamante ne dañuy ñëwaat wax leen lépp lu xew ci xeex bi ñuy xeex contre Covid-19 bon ba su tey bi bésu information la bésu communication la mais aussi bésu jàngat la ma wax ne li may jëkk a def mooy di ñaanal képp koo xamante ne génn nga àdduna si jàngoro ji yàlla na la suñu borom yobbu sa aljana yi gëna kawé di wax né ñi tëdd encore feebar may ñaan Yalla mu yëkki ak jàmm tey mangi féliciter félicité personnel de santé et d'action sociale parce que nous sommes que ci première ligne xeex bi mais aussi may félicité les acteurs yu sommes ci xeex bi parce que xeex bi xeexu ñépp la ma force de défense et de sécurité mais aussi di ci lim acteurs de terrain yep ku nekk ak wàll bi nga Je may wax ñu ngi rafetlu loo xamante daf ñu ñaax dolel ñu moy taxawayu son excellence le président Macky Sall ci xeex bi ba mu commencé ba légui mom moy diriger opération yi mom mo ñuy dolel be résultat bi ñu am ñu mën ko am ci sama tour personnel de santé d'action sociale yépp ñu ngi koy remercier di wax ne tam xeex bi ñu bari japp nañ ci mais c'est lim partenaires techniques et financier, de lim secteur privé de la santé de lim société civile di lim acteurs communautaires mais aussi de lim agent communautaire nga a été terrain bi dañu jàppale may wax régions yi ñu région bu nekk am nga comité régional de gestion des épidémies gouverneur bi jiite ko bon képp ku nekk ci CRGE boobu bokk ci riposte bi ngi lay euh, féliciter di la encourager bu baax a baax a baax may wax nag lu am solo lu ñu war comprendre Moi, que ne fi ñu toll kenn xamul ndax suba wala gannaaw suba wala ay wèr le virus bi nek kenn xamul tam fiñu tollu ni lan mo koy fajj loolu nak liñ ci wara jangat moy que ne waruñu wàccee suñu loxo dañu wara continuer xex bi ba ker bi genn ci réew mi. loolu nak arme biñ ci am moy arme bi ëpp solo moy ñu respecter mesure barrière, notamment port du masque ak li xamantene ne spécialistes yi ma andal te ñu ñëw légui taxaw fi pour jox leen ay information apporter leen ay analyse indi communication bu leen gëna jëriñ ñom ñoom leen ci yegg bon nag tey li xamantene mom lañu la ñu leen ak sénégalais yi bañu ñu commencé ba légui moy fuñu ñu toll ñu leeral te weer bu jot ñu ñëw informer communiquer analyser mom lañuy def tay ñu leen di remercier bu baax parce que xex bi sénégalaises yépp ci japp sénégalais yépp ci japp ñu ngi leen di remercier